oui sama voilà donc euh, voilà ñu ngi doon wax ci affaire dessin animé yi di wax ci euh, voilà tout ce qui est euh, à l'époque des enfants etc et en prélude de la fin de l'année en prélude de la fin de l'année nous prenons le moment des cadeaux voilà décembre mu ngi jot déjà y am structure de la place yo xamante commencé déjà di def campagne de communication yi <laughs> par rapport à yenn produits yo xamante dañ koy jaay avec les produits que tout le monde connaît qui sont les jouets ah, arbre de Noël et tamit arbre de Noël yi ak donc jouets fin d'année yi xam nañ les parents actuellement ils sont tous sur le taquet euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les enfants etc. alors on parlait des jouets miniaturisés comme on dit Taïdini, on sait qu'il y a des voitures miniaturisées ce sont des voitures comme autobus mais après juste avec des fonctionnalités yo xamné de nous permettre xale bi utiliser voiture comme les motos il y a des motos miniaturisées il y a des voitures miniaturisées yo xamné les parents l'achètent pour leurs enfants mhm. après comme on dit euh, on est à l'ère où aujourd'hui on essaie de faire que les enfants soient passionnés par quelque chose habituellement on les oriente soit vers le, le, bricolage, ou on les oriente vers l'électronique, ou on les oriente vers la mécanique. Donc, à travers lune, il y a des objets, ils sont faits de telle sorte que l'enfant ça lui donne un peu euh, la possibilité d'être passionné par ce produit là donc les tax ngay gis ay auto yu ndaw yo xam te léegi dañ koy defar auto yi dañ koy dawala ah. je pense qu'il y avait même une image qu'on avait montré un jour un truc une vidéo gag là où il y avait un petit qui qui conduisait sa voiture dans sur l'autoroute ben, Le policier bi arrête da ko xam ne di ah. papiers et tout tu vois donc ça c'est des trucs c'est très mignon alors voilà après euh, bon en Europe on peut comprendre qu'un enfant conduit sa petite voiture dans les rues. C'est pas au Sénégal où vraiment il y a plein de chauffards, donc il euh, n'y a aucune sécurité. Ce sera peut-être dans les cités. Fermées. Les cités fermées. Voilà, l'enfant peut conduire sa voiture tranquillement. Voilà, une villa, une maison qui est très grande, qui a assez d'espace où l'enfant peut s'amuser en conduisant non, sa 25 mètres c'est bon. Donc, il n'est pas obligé forcément petit alibi, etc. Parce que voilà, c'est un moyen juste de permettre à l'enfant de s'adapter à ce jouet et de pouvoir aimer ce jouet. C'est pareil aussi comme les, euh, les jouets miniaturisés, euh, robotiques là. Comme par exemple, il y a des. Euh, euh Spiderman boo xam te Spiderman bi les mêmes fonctionnalités qu'un Spiderman normal qui ak euh, nu mu tuddati les trucs qui ñuy tiré. tata Mbaye je vais compléter ce que tu as dit man gis naa ben tenue bo xamni ni. gars bi dafa sol tenue am. Mhm. après dafa am ben appareil bu ñu jaar accessoire. bo xamni ne la kay tek fii voilà. la kay defé affaire bi di def affaire bi di def euh, euh, euh, bi. toile d'araignée toile d'araignée bi donc on le retrouve dans les trucs miniaturisés. Mhm. dans les dans les jouets miniaturisés. pourquoi parce que tout simplement dañuy adapter juste produit produit principal bi. à de à de à de mini dañ koy formater rek juste déclinaison bu ndaw déclinaison bu mhm. ndaw mhm. voilà kaderna Nakamu et puis euh, ça permet aux enfants comme par exemple dans les dessins animés yi nga xam te ne moom la de retrouver ces mêmes euh, les mêmes euh, caricatures en Et les mêmes fonctionnalités. Et les mêmes fonctionnalités ah en jouer et que l'enfant puisse se retrouver dans ce dessin animé qu'il a regardé ou dans ce, euh, ce, dessin animé dont il est fan. Mhm. Donc, oui, comme Batman, tu vois, Batman, on te fait une miniature de Batman avec sa voiture. Après, il y a les voitures, il y a les télécommandes qui sont utilisées. Donc, ce qui est nouveau dans tout ça, c'est que maintenant, tous les jouets presque sont sur télécommande, ils sont numériques. Donc, l'enfant a la possibilité d'utiliser le jouet à son escient comme il le sent. Mhm. Et ça permet aussi aux parents selon nous seen doom muy quand il regarde un dessin animé parce que xalé bu nekk un dessin animé nous ben préférence ci dessin animé par exemple dina la ne moom auto yi la bëgg par exemple moi mon garçon il adore euh, Flash McQueen. Euh, Flash McQueen. Euh, euh, Flash McQueen, c'est la voiture qui parle là, la voiture de course parle. voilà, donc il s'appelle Flash McQueen. Il y a même deux ou trois dessins animés, je pense. Voilà, justement. donc, mon Flash McQueen, c'est la voiture qui parle. C'est une voiture qui, qui, fait avion, qui fait voiture, qui fait tout. Flash McQueen, le tout de monde, il est fan de ça. Donc, aujourd'hui, tu lui donnes un Flash McQueen, il va penser que. Voilà voilà la Transformers. Hein. tu as, tu as euh, les, les d'autres enfants qui vont aimer, qui vont aimer peut-être euh, moto euh, la, la, moto, le truc de moto là. Donc ce sont des à la cross moto. Tu peux leur acheter une petite moto avec laquelle ils pourront jouer ensemble. Il y a des enfants qui sont fans de vélo voilà, les vélos de euh, trottinettes, etc. Et puis tu as les, les, hélicoptères aussi. Les hélicoptères. Il y, a, y, a y avait même un jouet qui était sorti l'année dernière c'est un jouet bo xamante ne c'est euh, une voiture de police lay nekk boo xamante ne comme euh, le film là comment s'appelle Avengers. Avengers oui. je pense que c'est Avengers. Mhm. Avengers Leni am auto euh, yi di jékki-jékki rek. jóg nek nek Transformers. merci. voilà mom le Transformers. waaw waaw waaw kay benn la rek wa Avengers la. waaye euh, genre existait une année dernière c'était sorti ce sont des voitures à la base c'est une mot Les auto. auto. sont en zone de danger rek day mec genre euh, robot bo euh, xam à la guerre un truc comme ça tu vois donc les enfants retrouvent ça dans leurs dessins animés ils retrouvent ça sur les jouets donc ça permet aux parents de pouvoir identifier déjà le jouet que leurs enfants aimeront mhm. et après ils choix bi donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui avec l'avancée de la technologie tous ces dessins animés toutes ces euh, tous ces objets sont miniaturisés pour permettre aux enfants de se retrouver dans ces objets-là. Et puis tu sais, il y a une je l'ai remarqué, boy, de plus en plus, beaucoup de épais de pistolet. Waouh, bah pareil. te même jeux vidéo ils sont des jeux vidéo violents là non, parce que, eh ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de permettre à un enfant, par exemple, de s'adapter sur un instrumental. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup d'instrumentales miniaturisés. Les a des piano, ils sont tellement bien euh, synchronisés, oh, euh, de telle sorte que tu as l'impression que c'est un piano, un piano boumak, mm-hmm. alors que c'est un bah piano miniaturisé, bah donc numérisé, etc. Donc, l'enfant a la possibilité de recevoir des sonorités comme s'il avait un piano normal. Mm-hmm. C'est pareil pour les guitares. Il y a des mini-guitares, ils sont tellement bien coordonnés que tu, as l'impression que c'est une guitare au un mm-hmm. Alors cet enfant-là qui aujourd'hui utilise ces instruments-là, c'est un enfant qui va pouvoir jouer de la guitare dans le futur, jouer du piano dans le futur. Il et puis day ànd sax instrumental nga nek fa di way et puis tu sais normalement euh, normalement sur le cursus scolaire xale bi normalement dafa ram ben oubi hobby wala benn activité connexe bo xamné euh, musique lay doon wala sport wala dara lo xam ne mën évacuer stress euh, voilà justement et ça permet de déceler des talents de déceler des talents justement effectivement pour éviter justement que les enfants se se focalisent sur des trucs inutiles ou parfois même soient obligés tout le temps de regarder la télé ou d'aller regarder autre chose qui ne les intéresse pas. C'est mieux de les, euh, euh, occuper dans euh, des, trucs comme ça. Genre, on leur offre une guitare, on leur offre une batterie, mhm. on leur offre par exemple des instruments de musique. Donc, ils sont concentrer tellement sur instruments que des détails mhm. Et ça éveille ses sens au fait. L'enfant commence à plus de d'habilité sur certaines choses xel les a bons réflexes voilà parce que moment bimi instrument il non mu déjà sansam parce qu'il cherche des sonorités il cherche des tonalités et lolu moom qu'il cherche le bopam à force de vouloir trouver la tonalité, de faire éveiller Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir réfléchir très vite et pouvoir comprendre certaines choses. Mais tu sais, je vais, je vais raconter une anecdote. Ça m'a ben cuisine complète. Euh, chaque jour que Dieu fait, une heure de temps bi dina ma këpp papa lo bëgg ma toggal la te plastique lay doon te dama koy lekk dama koy naan tey bi te damay tàqamti ko par la force c'est ça le c'est ça le truc ouais l'imagination de l'enfant mun loo oh, imaginer bah et puis c'est un pur bonheur quoi une heure de temps daf may téye papa dama lay toggal je te fais des cupcakes oui je vais te faire du thé après quel fruit tu veux tu veux manger Mon na ko lii ak lii mu génneel ma ko tegal ma ko si assiette servir ko ba mu rafet mais quand il s'agit maintenant de mettre la table mais attends elle la table, mais. oui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, cet enfant va être passionné de cuisine. Ah c'est quelqu'un qui va grandir avec ça. Ah. Elle peut même devenir demain un grand traiteur. On ne oh, sait jamais. Elle travaille bien en classe et elle aime faire la cuisine. Elle aime faire, la cuisine. aux gens. Voilà, donc c'est une passion qu'elle a. Tu vas oh, avoir un oh, enfant qui aujourd'hui hein. a de bonnes notes à l'école, mais qui utilise un instrument. Mais tu es, tu es, tu es bluffé. Qui va devenir demain un ingénieur de son mhm. Parce qu'être ingénieur, c'est faire des études supérieures aussi de bac plus, etc. Il y a même des boîtes à outils, hein, voilà. jeux. Boîtes à outils, du bricolage. Ah, voilà, l'olive. pour la santé. Oui. Voilà. Ah, donc, euh, justement, ce sont ces objets miniaturisés là qui permettent donc euh, déjà de pouvoir éveiller l'essence de nos enfants. Avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup d'avancées. Cette année-ci, il y aura énormément de jouets qui vont sortir. On y reviendra. On va montrer un peu les jouets existants actuellement. Et puis euh, voilà, on permettra aux parents qui préparent les fêtes de Noël de pouvoir faire un bon choix de oui, parce que c'est le moment. Hein. Il faut faire un bon choix de cadeaux. C'est important. Même les, euh, comment on appelle encore, les livres électroniques là, qui pédagogiques on les achète. Il y a Des, voilà, il y, a des, il y a des jouets interactifs. C'est pédagogique. C'est non seulement un jouet euh, significatif avec un, design, et puis après, derrière, ça apprend à l'enfant de parler, chanter. Et aussi ouvrir un livre pour un bébé. A, A, B, B. ça répète. C'est magnifique, c'est magnifique. La technologie, vraiment. Super. Merci, Tata Maïté. C'était King